¿no? à tous nos auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Vous l'avez compris, quand il est 11h, c'est l'heure de votre émission préférée, le Niger sur Kalangu. À la présentation, c'est Rabia Mekano et je suis avec Mariam Ade C'est comment, Rima, ça roule Tranquille, bien de ton côté. Tranquille aussi, merci. Alors, c'est quoi le menu du jour ben, Mariam, nous débutons l'émission avec le flash d'information de la bonne musique comme d'habitude et nous recevons comme invité ce matin Maimouna Garba de Mafa euh, cosmétique. Bibi aura aussi la rubrique hebdo qui parlera d'éducation, du sport avec notre chroniqueur sportif Hasmi Guruza et l'actualité en région. Enfin, les lotis offerts par l'équipe femme du studio Kalango. Un coucou à la technique qui est assurée par Amina Hassan ce matin et à Rahila Toussoumana, notre chef d'édition. Top, c'est parti! Sans, tarder, sans s'attarder, chers auditeurs du Niger sur je vous propose de suivre les flashs d'information avec Mouktar Hamadou. Bonjour Mouktara. Bonjour Mouktar. Bonjour Rabia Mekano. Bonjour Mariama Adé. Alors, quelles sont les nouvelles euh, le ministre nigérien du commerce Al-Kash Al-Hada et son homologue libyen de l'industrie et des minéraux Ahmed Abou Mesa et Essa ont signé hier 15 mars à Niamey les mémorandums d'entente du projet de construction de la route Misrata à Tamahit Agadeza euh, C'est au cours euh, d'une cérémonie organisée en marge euh, du lancement de la deuxième édition de l'exposition Made in Libye et que les deux personnalités ont apposé leur signature sur les documents irrélatifs selon l'agence nigérienne de presse ANP. Le panier de la ménagère à Niamey de plus en plus dégarni à quelques jours du début du mois de Ramadan. La journée mondiale des consommateurs euh, célébrée hier 15 mars intervient au Niger dans un contexte de flambée des prix des produits de première nécessité alors que le ramadan, mois de forte consommation, s'annonce dans quelques jours. À l'actualité internationale, le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé une candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030. C'était lors de la cérémonie de remise du prix de l'excellence de la Confédération africaine du football CAF pour l'année 2022 dénommée présidente Outstanding Achievement Award 2022 à Kigali, au Rwanda. C'est tout pour ce flash d'informations. Euh, restez en compagnie de nos collègues pour la suite euh, de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci Mortar, à bientôt. Merci beaucoup. Comme annoncé dans cette édition, nous sommes en compagnie de Maimouna Garba de Mafari Cosmétiques. Elle, avec elle, nous en saurons davantage sur le marché des produits cosmétiques naturels. Bonjour Maimouna. Bonjour Rabia. Kalangu. ça fait plaisir de vous retrouver encore. OK, mais avant euh, <clears throat> de commencer notre discussion avec vous Maimouna, nous remontons un peu le temps en musique avec Gajera de Moussa Poussi. Moussa Poussi, ce grand messier de la musique nigérienne, nous a quittés le 3 juin 2008. Talentueux artiste, musicien, chanteur, compositeur. Dans les années 1980, Moussa Poussi a débuté la musique avec le groupe de Johnny Ali Mega avant de partir au Mali en 1981 pour apprendre la guitare aux côtés de Douma Albarka. En 1986, il crée l'orchestre Super Cassé et remporte le premier prix de la première édition du concours national de musique moderne d'Angourmou. C'est la consécration et depuis lors, Moussa Poussi devient l'icône de la musique moderne nigérienne. En 1989, il rencontre le compositeur français Philippe Gérard et forme le groupe Moussa Poussi et les Pussycats. Lors des remises des prix du concours Découverte Radio France Internationale en 1990, Moussa Poussi fait le lever de rideau. La journaliste française Hélène Lee, qui préside la délégation, remarque Moussa Poussi et lui cherche un producteur. Il enregistre l'album Toro à Abidjan, arrangé par Bankana Maiga, et participe au grand concert à l'occasion de l'anniversaire du président ivoirien Félix Oufette Boigny. En 1991, Moussa Poussi remporte le septième prix du grand concours de la chanson populaire africaine Afrovision sur 28 pays africains représentés. Que du bonheur et consécration pendant la décennie suivante. En 2008, alors que les titres Arnais faisait un tabac sur toutes les zones FM, Moussa Poussi luttait avec la maladie jusqu'au bout. Il a tenu à tourner les clips de l'album. Les Nigériens découvrent à travers les images une personne rongée par la maladie, mais qui assure par son professionnalisme une présence scénique dans tous les clips. Le 4 juin 2008, à 16h, alors que les sons de promotion de son dernier album font le tour des radios, Moussa Poussi sera inhumé. C'était Gajera de Moussapoussi. Revenons à notre invité du jour, Maimouna Garba de Mafari Cosmétique. Maimouna ina kwana? Antash lahiya Rabia. Lahiya law. Maryam. kwana Maimouna. Alhamdulillah sannunku. To. Maimouna muna so ku ba mu takaitaccen tarihi yadda kuka fara wannan sana'ar ta kayan jiki. Eh sunana dai Maimouna Garba. na yi karatu na university inda na yi karatu na eh, lauya inda nake da lisansi ita amma bayan wannan kuma sai nake sha'awar yin aiki hannu a takamaimai wajen gyaran jiki da sauransu kuma ba gyaran jikin kaɗai ba har yadda muke sarrafa kayan kuma ya kamata mu ɗora su akan fata don kasu samu su illatar da mai aiki da wa'annan kayan. Mm. To ko ya ne kika shiga cikin abin kamar wani formation ne aka baki ko ko ya ne abin yayi tabbas rabia eh, aiki wannan namu kamar eh, muna iya danganta kanmu kamar eh, kamar likita ne da ke tsoron kai ya lahaltan da fasiyan kinshi saboda kamar duk wanda ya ce fata mun san da sani in dai ta samu lahani da sauransu to abu ne da ke iya shiga cikin lafiyar jiki da sauransu to wannan ne ba mu sha'awa mun samu abu na farko da ake ce ma passion kenan mun samu son ran abu ne ba cusa mun shi an kai ba son shi ne muka yi muka yarda shi muka miƙa wuya muka yi formation na yi formation ita dubaz a darul mar'a bancin hakanan kuma ina da yau sama da attestation ɗai har guda talatin wanda na yi bisa kan aiki na hannu a dan a tattar da cosmetic hmm. kenan mayuka da turaruka don inganta da fata ballantana mace bakar fata to mai muna muna so mu sani wani irin kayayyaki ne kuke sarrafawa da farko dai muna sarrafa duk abin da an mai mai na jiki ne turare ne sabuli ne duka wanda ya ya, ya tattare eh, gyaran jiki ba jiki kadai ba har da gashi kamar mace ce muku ɗauka tun kafarta har saman gashinta yadda ake ɗora mayuka da turaruka da sabuluka uwa uba har da shampo da demelan na wankin kai kuma za ku yi mamaki in mun ce muku wanga yudu. yodo dai mun san da sani shine mutane suke wankin kai da a gargajiyance yau sai muka hito da shi mun sa cikin kwali cikin ambalage inda an zo an gani eh shampoo ne da ake wankin kai da shi mun san da sanin kuma rawar da yodo yake takawa cikin wankin kai a da duk wanda ya tashi cikin yaren ta sani sanin da ana ji da yodo mm-hmm. yadda in an wanke kai kai yake silbi yake tsawo yana shiki tabarakallah masha Allah in kun ga an yi ma yaro kalmisa an sa mishi yodo tsafi ne bayan an wanke kai dodo amma yanzu sai kamar muka ga abubuwa da ake bida a manta da su to muka ce to tsaya mu tattaro shi mu san yadda zamu yi mu yi shi mu hiddo mishi wata sabuwar kwalliya mu samu duniya ta kalle shi ayi alfahari da shi to yanzu wannan yau dan ba mu da a Afirka ba har na waje suna nan ga wankin kai da shi mm. kenan ashe muna da arzikin cikin ƙasar da in mun ɗoka mun ka wanke muka nuna ma duniya aka iya yi alfahari da shi mu ba ƙasa ba ce ta wasa komi namu in mun ɗauke shi mun ka gyara shi to zai yi tasiri wanda ba 'yan ƙasa ba hannu waje za su yi alfahari da shi kuma za a ga biyan bukata in ana aiki da shi yadda ya kamata. To yanzu malama maimuna muna so mu san bambancin su waɗannan kayan kuke sarrafawa da waɗanda muke gani na manyan kamfanoni a ko'ina ina ga sanan sun mamaye kasuwanni. su eh, akwai bambanci rabi'a kamar eh, wanda ya hika tashi dole ya yi tazara amma kai kuma in ka farka me ya kamata ka yi ya kamata ka dage ka kwala gudu ba na wasa ba to irin wannan kamar mu har muke holka ne sai muka ga nisan da an ka muna ba na wasa ba ne amma mu kuma da muka holka muka ga ca ai muna da kafafuwan da muke iya gudu yanzu gudu ne zamu yi in mun duba bisa kan quality in kaya gaskiya rabi'a ba zan avec toute modestie je veux être clair kamar kaya ne da wanda ya dibi ma kwalin da an ka sa su tsakani da Allah su hina mu kyawu amma inda muke gode ma Allah kuma mu kuma kayan da a ciki wanda ya ɗanɗana kuma sai ya komo ya ce ta kaka kuka yi hakan ga kenan mu yanzu ƙoƙarinmu da muke nan gai da muka gano haka yanzu yanzu yakin da muke nan gai mu kuma kaka ne za mu rarrafawa mu zabga da gudu wajen mu ma mu gyara mu tace kayan mu su ma in an kalle su mu sanda sani za mu tsaya wuri guda yadda wa'ancan su ma suke. To yanzu na ji kina can yodo cikin kayayyakin da kike haɗawa su wanne ne kika haɗawa cikin kayan kin yi can yodo kuma da wani hallu. da sabili ta wanka rabi'a kamar muna cikin garin da allah ya bamu gishiri ya bamu kanwa waɗanda za ku yi mamaki cikin girki ake sa su gishiri da kanwa suna taka rawar a zo a gani wajen gyara fatar ɗan adam saboda muna cikin garin da adda rana garin da adda zahi balle kun ga wanga wata na mars da ke ta yi kuraje ne za su shallamo mu mutane <laughs> to alhali kanwa tana taka rawar a zo a gani wajen kwantar da fatar ɗan adam mu kuma mun san da cikin shinkafa da wake ɗaya ne ake sa ta ana ci gaskiya maimuna shi kuma gishiri yana duk gishiri dai inda yake kun ga cikin miya dai abokin tafiya ne haka zalika inda doda take kuma yana gusar da ita mai kin san Allah mu ini muna hira da ke amma bari <laughs> abinda za a yi mun dawo mun dawo cikin hira ta Maryam elle nous torture musique avec Wiza de Kaskami. C'est des années de confiance et de trahison. Des années qu'à des mensonges tous nous assistons. Des années de tournements et crimes nous subissons. Des années de trop fort nous agissons. Avec la pauvreté qui tient le pays en otage. La famille qui fait des siennes ne fait que des ravages. Les malades le manque de le manque de moyens. Une autre forme d'affaires plus plus cher sa Le début de vie au quotidien se brise. L'angoisse des nègres vif des états de crise. Homme, femme, enfant, dans agonise. Où est le président Où est mon président C'est cauchemar que nous vivons en est le courant Pourtant, on a tous dû prêter serment pour le pays, le peuple, mais aucun changement. C'est le même peuple, le même système, le même cauchemar. Parents, ami et connaissance pour au bien Dans nos ministères, ça pue, pas des corrompus. Ils pillent, ils détournent, ils veulent qu'on évolue. arrêter de s'aventurer dans des rêves où on prit conscience que fermer les yeux cela sacrée crève. Wiza, dinga dinga jassé. Wiza, amana diga Wiza, ici chance la bosse. Wiza, Wiza, ici be Kamikaze, une légende vivante de la musique nigérienne. Qui est Kamikaze Kamikaze ou Kamikaze Liman ou encore Kaz Liman, c'est un artiste, auteur, compositeur, interprète, arrangeur et producteur il est aussi cette voix tellement puissante à laquelle on doit ajuster les appareils pour ne pas les perdre. Quand il est sur scène, il a commencé sa musique en 1997 au sein du groupe Le Clan des Opposés. Il a ensuite rejoint le groupe Wangari en 1999 avec Snoop et Bilal Kate. Kamikaze est l'un des pionniers du mouvement hip-hop au Niger, dont la qualité du show, l'énergie, la générosité et la bonne humeur communicative sont plébiscités à la fois par le public et par les professionnels du métier. J'ai travaillé sur plusieurs projets musicaux avec lui et c'est juste enrichissant, Mariam. Porte-voix de la jeunesse, il est considéré par la presse et le public comme la figure du proie du rap engagé. Son œuvre évoquée pour les, pour les inégalités, les injustices sociales, les abus de pouvoir et la corruption, titre Wiza. En 2003, il débute une carrière solo. Au cours de la même année, il sort la chanson Dans ma cité. Véritable opus à succès, offre son premier concert solo au CCFN Jean Rouge de Niamey, couronné également des succès. Entre 2003 et 2012, 15 l'imam a sorti trois albums, Mashallah en 2003, Salam en 2005, Parcours du combattant en 2008. De plus, il a participé à plusieurs événements hip-hop, concerts, festivals, tournées. Il faut aussi noter que Kamikaze a créé la team Salam, composée de jeunes talentueux avec qui il a fait deux concerts réussis. Il est aussi l'un des ingénieurs son derrière tous les génériques qui rythment les programmes du studio Kalangu. Un gros merci, un big up à notre ami du studio Kalangu. 93, 2008, 2008. Les mêmes merdes, les mêmes, les mêmes cauchemars, les mêmes cauchemars, les mêmes comportements bordéliques. C'était Wizard de Kamikaze, Bibi Sesson, c'est une chérie, je te dis. Ah ben oui, hein. <laughs> Revenons à notre invité du jour. Mai muna kuma na zancen sabini da sabini da gishiri haka ne ko to muna so gaya mana kuke sarrafa su. Madalla eh, a cikin abubuwan da muke sarrafa sabunai na gyaran jiki da mu precise don akwai sabunai da muke na gyaran jiki da sabunai da muke yi na wanke dakuna. Shi gishiri muna hada shi da kanwa tare da ɗanyen itatuwa tunda muna yin sabuni ta ta milli muna yin sabuni na milli eh, in yi magana na dogon yaro da akwai wanda ba su gane <laughs> milli eh, <laughs> yawa don ka na dogon yaro wanga dogon yaro da ake gani gari mu ko ina wata ran sai nake tambayar kaina to wanga kullum sai a ce to ba a cin wa'annan itatuwa me ake yi da su alhali suna da eh, antiseptic ne antiseptic kenan na kashe kuraje da wasu kurashen zayi ne ko wasu kuraje na kaikai da sauransu to yana magani sosai wajen korarsu a cikin jiki da sauransu e, ita kuma kanwa da muku bayani muku ce tana kwantar da fata sosai da sosai sai kuma gishiri yana kawar da duk abin da addatti da maiko a saman fata don ku su ne muke hadawa don hada sabunai ingantattu wa'anda ke gyaran jiki kan sabuni na carrot kan sabuni na concombr kan sabuni na e, zogale mm, kenan kan sagili kuma ta eh, milli da dogon yaro da nake muku zance da sabuni ta tumatiri duka muke haɗawa saboda mu samu mu inganta da fatan mutane sai ake ta mamaki to wa'anga abubuwan abu ne da ake iskiya cikin tukane yau ga suna an iske su a waje ana gyaran fata da su saboda mu sani sani abun da ke iya gina jiki yana iya kuma gyara fatar jiki gishirin haka kuma yana takara mu da muku importance kin shi da dauda hakan nan ya tura muku muke yin sabuni na ruwa wanda ake iya wanke karo sai ku karo yana da dauda da sauransu amma a lokacin da an ka dauki wannan sabon sabon likid kenan an ka zuba lokaci kaɗan ka dauki brush ka wanke sai ka karo kinka ya komo tas <laughs> to kun ga alhali ba wani produce shimik ne ba da ake ci an dora zai zai zai goge karokin ya sashi fari to haka zalika ita kuma fata a lokacin take da dauda da maiko da sauransu to in dai gishiri yana cikin sabulin wannan to zai ingantar da fata kuma ya kara masa lafiya mai musai dai kiyaye mana wallahi fata ki ta sha kallo <laughs> to yanzu mai mu tunda ba su nan ganin ki adamu ke gani kuma muka sa abin da muke gani <laughs> mutane suna ganin kamar wa'annan mayukan da ake hada cikin manya-manyan kamfanoni kamar sun yi saurin biyan bukata to ko ya ne kuke jera da su bisa kan harkan biyan bukata. Era eh, biya kahin muhara haka aka ta ba mu tsoro dan da muka zo e, sarta akwai abokan da suka ba mu shawara suka ce ina da ku gwada ku gani yadda za su samu shiga haka zalika akwai kungiya da ke ce muna a'a ku yaushe kuka fara balle ku kara da wa'ancan mutane. Rabia akwai abin da ake cewa ita dai gaskiya hitowa take yi. Kalka ji tsoro ba masu aikin hannu na sabili ba kowane irin aiki ne kaka karya in baka gwada ba. ka samu zuciyar gwadawa ko da ka haɗu ka san e na nuna na na tahi an kada ni sai in komo mhm. amma da muka hudda wannan tsoro a cikin zuciyar mu sai muka ce muka nuna a'a ashe kamar kulliya ne an kahe mu ba kyau ba eh kwalliya ce an ka yi mu ba kyau ba kamar kayayyakin sarrafawa ne da kyalkyali na ambalaji an ka yi mu amma ba kaya ingantattu ba ashe to lokacin nan ne muka ce to bari mu tashi mu ma mu rarrafa sannu sannu mutane tun akwai wanda ke kyama tun akwai wanda ke shakku tun akwai wanda ba su ma yarda da kayan mu ba yau ha an ka kai ma wa'annan mutane suke koya mana baya ɗari bisa ɗari kenan muna nan ga cewa kenan kulliya na nan ga biyan kuɗin sabulu yau har mun samu gwamnati tana nan ga taka rawar ta wajen kama muna haka zalika mun akwai kungiyoyin da ke zuwa su kenan ga kama muna da mu tashi mu yi tsaye alhamdulillah taimako yana ga shigowa a ko ina kenan mun gode wa Allah. To, ai kowane aiki kuma yana ta da ɗan matsalolin shi kenan dole ne kuma tambaye ki wani matsaloli ne kuke fuskanta musamman ma eh, in a ce an fasu de ga wannan manya-manyan kamfanonin wani matsaloli ne kuke fuskanta bisa kan harkan kasuwancinku e ga duk mai sauraron mutum ɗazu da nake zancen ambalage ambalage kenan mun ci ambalage kama e kam kwalba ne kan takarda ne kan roba ce ta zuba kaya nan ne muke da matsala kamar yanzu ne Kasanmu ta fara gane me ake ce ma aikin hannu da sauransu kenan in mun dubawa an su sun ma shekara sama da sittin suna gaba gare mu to mu yanzu ne ake nan ga samun ma a samo mashin kin da take mana production ta ambalage kenan mu da muka taso yanzu muke gogoron mai arabiya wataran mu aika kuɗi a canye wataran mu aika kuɗi a yi kyan mu wataran mu aika kuɗi a yi buloken mu duk da haka nan muka ce ba mu hasawa rabiya muna cikin garin da ke da zahi in mun yi sabuli in ba mun sa ta cikin karto ba to zahin na iya illatar da wannan sabuli kuma in mun ce mu sai da ma mutum ita a waje hakan ga kun bata da daraja to a haka dai muke hwaɗi tashi hwaɗi tashi muke dubarun mu a yau a gobe sai ku ga kayan mu kenan ga samu hita kenan matsalar mu ta farko ita ce ta ambalash amma Allah da ikon shi yanzu dai gaskiya muna nan ga samu mafita muna nan ga samu mafita dan akwai society kin da suke ta hutowa suke ta kawo muna eh, gudunmuwa ake kawo muna nesa kusa mhm. karshe ma ake nan ga samu muna mashin kin suke nan ga muna da souffleur wanda suke nan ga bubbusa muna da zambalage wanda sanu sanu muna nan ga tahiya su ma kamar masu ambalage in ba su samu kwarewa ba irin ta wancan manyan kamfani amma dai

Ok, donc aujourd'hui, on va parler du montage en cinéma, c'est ça Oui, Rabi, on va parler du montage dans la filière cinéma. Voilà, maintenant, la première question, c'est quels sont les différents types de montage euh, avant d'aller sur la première question, déjà, les différents, on va dire c'est quoi le montage. Le montage, en fait, c'est le processus de création d'un film, c'est-à-dire c'est l'assemblage, le traitement de tous les données vidéo, les séquences que vous avez pré-tournées mhm. et que vous rassemblez sur un logiciel de montage et que vous allez créer un, euh, un ensemble cohérent de vidéos, de films qui permet de transmettre des sentiments. Donc, c'est ça le, le montage, l'assemblage et tout ça. Maintenant, nous avons plusieurs types de montage. Euh, qui sont utilisés dans le cinéma pour raconter votre histoire, pour dire ce que vous voulez dire à vos spectateurs. Donc nous avons les montages en cut, c'est la forme, la forme de montage la plus courante. en fait, en fait, là vous avez deux plans et les deux plans sont transposés euh, l'un après l'autre, l'un après l'autre, et ça fait ça c'est ce qu'on fait <laughs> <laughs> avec le téléphone là. <laughs> C'est le plus simple que les gens utilisent. Après, maintenant, il y a des montages où tu dois mettre des fondus enchaînés pour permettre aux gens de, s'il a, d'éviter les cuts. Par exemple, quand tu fais les montages en cut, tu vois, quand ça passe à un autre, ça fait cut, tu vois. Pour le cinéma, c'est très bon, c'est ce que les gens utilisent. Mais souvent aussi, quand tu veux mettre certains effets, tu es obligé d'aller vers euh, le type de montage euh, en fondu, enchaîné ou ou ça fait disparaître petit à petit l'autre image pendant que l'autre image est en train de disparaître, la deuxième image est en train d'arriver. Donc ça, ça met de l'effet euh, sur, sur, ton montage. Tu vois, le montage parallèle, ce type de montage est utilisé pour montrer deux actions ou événements en même temps, tu vois. Par exemple, euh, tu es à Paris, euh, Rabi, tu es à Paris, tu es en train de faire émission Niger sur Kalangu à Paris. Eh, tu m'amènes à Paris. <laughs> si, je vais plus revenir. <laughs> Et en même temps... <laughs> Et en même temps, tu veux montrer euh, à Mariam qui est en train de faire Niger Kalangu ici. Donc, pour le montage, tu peux faire le montage en parallèle, les deux images en même temps. Et l'écran est en quelque sorte divisé en deux. Tu vois Donc, c'est ça le montage en, en parallèle. Voilà, en fait, on va dire les différents types de montage qu'on a. Quand on parle des différents types de montage, c'est vraiment en fonction du monteur, du film, de, quelle histoire tu veux raconter et comment tu veux raconter ton histoire. Donc, c'est ça les différents types de montage que nous avons. Ok. Alors, Aladdin, quelle est l'importance du montage dans la narration voilà, l'importance du montage de la narration, je disais que c'est grâce au montage que nous allons, nous arrivons à créer le film, à raconter une histoire. La narration, c'est ta manière de raconter l'histoire. Donc, le montage est un élément clé de la, euh, de la narration cinématographique. Il permet de sélectionner et d'assembler les plans pour raconter ton histoire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le montage peut aider à établir un rythme et le ton de ton film. Tu vois, quand tu fais un film, si ton film est lent, euh, tu vois un film comme euh, L'œil du cyclone de Sekou Traoré, le Burkinabé, c'est un film qui est très lent. Tu, tu regardes les images, passent petit à petit, tu vois, euh, l'histoire est racontée au fur et à mesure, tu as le temps d'observer les images, de profiter du temps, du paysage, de profiter des symbolismes. Des détails, exactement, de certains détails. Et c'est un film, c'est un processus qui est lent. D'accord Ça, c'est une manière de raconter. Et il y a aussi, par exemple, euh, Fast and Furious où, dès qu'on rentre le film, on a les actions, tout est rapide. <laughs> Ah, ah, ah, Donc, ce sont les différents types de, mm-hmm. de narrations que vous avez. Soit les narrations lentes, soit les narrations rapides qui vous permettent de, de, de raconter ton histoire. Il est très important de savoir ici que il faut savoir euh, quel type de narration tu veux faire pour ton film en fonction de l'histoire que tu vas raconter, en, monte, en fonction du montage que tu as. Si c'est un film de Fast and Furious que tu montes à la manière de Lady Cyclone, ça veut dire que ton film ne passe pas parce que c'est des <laughs> actions qui doivent. Ah, tu vois. Euh, les voitures vont pas euh, s'entrechoquer <laughs> entre elles. <laughs> Et l'histoire n'est pas racontée, il n'y a pas de dynamisme dedans dans, dans, dans le passage des montages. Donc c'est pour ça qu'il est important dans ton montage de comprendre l'histoire du film, de comprendre tu veux comment tu tu veux monter le film afin de savoir si tu dois faire un montage dynamique, un montage euh, pour avoir un bon rythme pour ton film. Ok, mais alors là, quels sont les outils euh, utilisés euh, pour le montage Quand tu veux faire un montage, en fait, euh, avant, nous avons qu'un seul outil. C'était euh, liquide, je sais pas, liquide, des, outils de 1980. Mais plus les années passent maintenant, plus ça évolue. Nous avons plusieurs logiciels de montage qui sont en train de, de, de venir. Nous avons Final Cut, nous avons DaVinci que nous utilisons ici. Nous avons euh, Premiere Pro, nous avons Filmora. Enfin, nous avons plein de, logiciels de montage qui te permettent d'utiliser. Maintenant, le problème, c'est l'accessibilité de ces logiciels de montage parce que le plus souvent, c'est payant. Tu vois, c'est des montages qui sont, euh, c'est des logiciels qui sont payants et qu'il faudrait euh, débourser une, assez, une bourse assez <laughs> conséquente Pour, pour pouvoir l'utiliser. Mais heureusement que nous avons euh, plusieurs types, nous avons plusieurs moyens pour contourner ça et puis euh, pouvoir euh, euh, utiliser ces logiciels de montage afin de de, de, satisfaire nos notre besoin de faire des montages, de créer des vidéos et les, ces logiciels de montage le plus souvent il faut noter qu'il y a des versions gratuites les versions gratuites que tu peux utiliser. Mais après les versions gratuites, si tu veux aller dans plus de professionnalisme, dans plus de choses, il faut euh, aller vers la version payante. Hmm, d'accord. Merci, bien, Aladin. On en sait un peu plus sur le montage grâce à toi. On se dit à très bientôt pour euh, d'autres informations au cinéma. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ces mots avec vous. Plaisir partagé. Mariam. Euh, je crois que c'est le moment de passer à notre troisième balade musicale. On va écouter Keta de Safiat. Majuna Safiat. De son vrai nom, Safia Aminami est une chanteuse, interprète et compositrice nigérienne. Elle se lance dans le monde musical lors de ses débuts, euh, lors de ses débuts lors de ses études, plutôt, au Maroc, dans la ville de Rabat, où elle intègre le groupe musical latino-américain. Parallèlement, elle intègre la chorale Polyphonia de Rabat et se met à l'apprentissage de la guitare. De retour au pays, elle intègre le groupe Kaidangaskia en 2006. Sa passion inexpliquée pour le chant a démarré avec les chansons des films hindous qu'elle regardait dans sa jeunesse, avant d'être happée à l'adolescence par le R&B et le rap américain. Sans oublier l'influence de la culture arabe que la native de Khartoum a héritée de sa mère soudanaise a met toute son énergie pour faire passer des messages de paix, d'amour et de tolérance. Ses chansons sont en français, Hausa, Zarma et Tamashek. À travers ces textes, on la sent bien impliquée dans la défense de nombreuses causes sociopolitiques qui touchent à notre pays. Elle a aussi cette envie de bousculer les mentalités, faire bouger les lignes. Sa collaboration avec Kaidan a matérialisée entre autres par trois albums, dira dix ans. Mais avant que l'aventure s'achève, Safia manifeste déjà son désir de voler de ses propres ailes. En 2013, à son nom sort, elle représente le Niger à la septième édition de Jeux de la francophonie organisée en France à Nice à Nice, Mariam. Mais c'est en 2018 que la chanteuse fait ses débuts discographiques en solo avec Point Final. Cette fois encore, elle fait des reprises urbanisées des chansons du terroir, histoire de mettre au goût du jour certains titres que les jeunes ne connaissent pas. En l'occurrence, Yani de Alhaji Taya ou Mugmagani d'Alijibo, deux précurseurs de la chanson moderne nigérienne. C'était que de des Safia, Bibi, ta valise non Ben oui. On bouge pour te alors. Ok. Plusieurs cas de viol à mineurs ont été enregistrés ces derniers temps à Balayara, région de Tilaberi. Et oui, Mariam, Madame Hamidounana Aïchatou, directrice de la maternité du district sanitaire, explique les difficultés de la prise en charge de ces cas. Elle est au micro de Mamata Dantakoy. lalle kai ba nan kai nan garin kai firaiman ni ban taɓa ganin gari ba ma da ke da irin wannan abu kamar nan balle yara akwai shi sosai sosai sai ki ga yaro ana waɗe yarinya ma wata nawa ko a tsaya ana ci a lalata yarinya ta hanya a yi kwankwale kwankwalen hannu ko wani abu yara ƙanana akwai mara da aka taɓa kawo mini yarinya mai wata ishirin wallahi abun da yake kawo musu dai a jikinsu kin gani deja yarinya an yi maka waɗe baka ba da son ki ba kenan kina iya samun ciki da baki shirya ba kuma ga yanan kenan deja kina da karamin ankoro kenan yana kawo miki matsala wajen aihu kuma yana iya kawo miki ma matsala na yoyon hitsari kuma akwai wa'yansu ma abin sai ya musu kamar harkar depression ba su jin daɗi ko taɓa su za a yi suna ihu suna wane ne ba su yarda in suka zo ma da kyar suke barin ma in musu in musu examen mm, in taɓa su ba su yarda ma in taɓa su sai da lallashi wani dan wanga dan dabara dai sai su samu in sha musu hankali lokacin suke yarda amma duk da shi wa zaki ga mata 'yan mata da za a yi ma hwaɗe in su sun kasu nan wallan 'yan mata su ki in taɓa su ce ba su kuma da yawa ma matan masu zawa nan wurin sai sun biya komisariya da takarda ake zo mana nan wurin akwai su da yawa wallai garin ga adadi adadi shekara gama da ta huce na lissawa su suna da yawa wa ga. abin akwai tausayi gaskiya wancan wata mun samu kamar ka zuwa goma sha hudu mutum ya zo sai ana iya duba ba sai sun kawo takarda ba muna dubawa kin gane lesan sel duba da za in mutum ya ji ciwo ne mu gyara mishi ciwon da ya shi lokacin na mu sai mu gaya maka mu ce ka ga wani abun da ya same ka in kana iya tahiya ka yi declare komisariya a baka takarda an nima maka incin eh muna iya ce mu saka kuma an mun da garin ga da yawa da takardun suke zawa na komisariya to in kun samu irin wannan ka wace hanya ku wallahi dai kai gaskiya kuma nan inda suke zuwa gendarmerie ko wani wurin polisai komisariya gaskiya suna kokari su ma ga wannan hanya tunda da yawa ni dai in na rubuta takardar nan har ka hwaɗe wallai ina ji suna cewa an kama yaro an kai shi ha wajen filin suna kokari gaskiya su ma tare dai muke aiki da su eh, akwai ma kungiya nan na harka population su ma suna kokari mm, masu kula da wannan yaushe ne ma an kamun wata yarinya daga wani gari ita ma an so an mata hwaɗe har aka fashe mata kai wurin hwaɗe ta zo in duba ta ma yarinya ita kiyatai kuma komisariya ta tayi aka ba ta takarda yanzu in yi examinan ta ta kiya na yi in duba ta ta kiya ne shi ne depression in nan depression tsoro ne suke ji sosai kamar kowane ne ma ce taba jikinsu suna ihu su su to ita dai gaskiya yanda na ce ma wadda ta rakota na ce a yi kokari a kai ta Niami eh, su ga psychologue avec l'aide d'un psychologue yalla tana yarda mm, insha Allah ya suke jin jikin su su zo da yaran nan wurin wallahi akwai bacin rai gaskiya akwai uwaye diyawa yawa uwaye na yan mata suna kuka ma wallahi da yawa suna kuka ah, shi da hiddare duk guda wallahi shi da hiddare duk guda ni na yi sama wanda yayi gaskiya a mishi hukumci adadi adadi ya kamata a mishi amma sai kishi an ce an kama mutum a wata shida an sake shi Muna tare da mamata a kan layi. Alo? Oh, alo, ina sauraron ku. Ina mamata ina kwana? Lahiya alimi walla an tashi lahiya. Alhamdulillahi. Mamata mun saurari rahoton naku biskan faɗin da ake ma yara ƙanana a balle yara abun ba daɗin ji. Gaskiya. Ko kuna da masaniya biskan irin runguma da 'yan sanda suke yi ma wannan mummunan lamarin? To wallahi kin ji kan dai in shiga cikin shirin ina muka gaisuwa ta zuwa gare ku. Mhm. Kin ji dai yayin da likitan ta faɗi. 'yan sanda ana tahiya wurinsu in an tayi wurinsu suna kawo wa likita a musu amma yaran magani su ko wanda sun kai abin wanda shi yaran wanda ya abin ana wuce da shi can hilinge ake kai su can mm. hilinge na an kai su hilinge ita can suke suke ɗaukar hukuncin da ya kamata shi ma musulun da ya mawa ga yarin ɓanda tun da shi ta haɗi kawo hidda rai ne kuma mun gani abu ne da ya yawa cikin kasar ga samu haka ne uwaye da ubanne ya kai kuma hal inda ba su so ma su yi magana bisa kai to wai yanzu to wai yanzu su wa'annan yaran da ake ma mm. wannan haɗin a ina ne a gida ne a cikin gari ne a makaranta ne kuma su waye wannan yaran sauran a gida ake isko sauran ko bisa kan aike ne uwaye in sun musu aike nan ne ake tare su. Mm. Kin gani waɗansu gudu ma suke ba a samu. to kin ganin da nan ma yarinya an bata mata rayuwa gaskiya to Allah ka mana sauƙin wannan lamarin mun gode ma mata aha to mun gode sai an jima aha to mun jima da yau insha Allah Maria Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Dibibi, ce n'est pas notre chroniqueur sportif que j'aperçois là. Ok, si, Mariam, c'est bien Grouza Soumi. Ah, mais oui, je suis là. <laughs> bonjour, bonjour Grouza. Bonjour, bonjour. Nous ouvrons la page du sport avec la situation de la S Nishara. Oui, Mariam, c'est un club qui est confronté à un sérieux problème de finances qui l'empêche d'ailleurs euh, de compétir. De 2017 la Sonichar traverse une situation difficile. C'est une équipe de la deuxième division et elle est la seule équipe d'ailleurs de D2 de la région d'Agadez à être à 115 km de la capitale de l'Aïr. Pour se déplacer, c'est un problème pour le club. Selon le président de l'AS Sonichar, Inoussa Mohamed Wantagi, au micro de Fela Ahmed. La situation, elle, est vraiment très dure. Depuis 2017, nous vivons un football de survie et que ça, continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai saisi la Ligue régionale d'Agadez pour leur parler de la situation de notre club parce que de tous les clubs de 2 de la région d'Agadez, nous sommes le seul club qui habite à quelques 75 km de la commune urbaine d'Agadez. Ne serait-ce que pour faire même les matchs de championnat ou bien de coupe nationale, il va falloir chaque fois se déplacer pour Agadez pour un aller-retour. Et ça aussi, c'est des coûts. C'est très difficile pour notre club et que c'est pas facile. Un appel que je lance à tous ceux qui sont de bonne volonté, qui peuvent vraiment apporter de leur sien au profit de ce club afin que qu'on puisse euh, redorer le blason de, de l'AS Sonichar qui datant parce que jadis les gens pensaient que l'AS Sonichar est les 100% prise en charge par la Sonichar parce que c'est une société d'État. Malheureusement, force est de constater que ce n'est pas le cas. Moi, je suis le président et je sais ce que vit le club. Tenu à faire ce discours pour vraiment alerter toutes les, les bonnes volontés amateurs de football qui peuvent apporter leur sien pour notre club. Nous souhaitons de meilleures conditions de travail euh, pour ce club. Ah, nous allons profiter pour faire un clin d'œil au championnat de la deuxième division. Oui, le classement provisoire de la sixième journée par poule. En tête, euh, poule A, nous avons Telwa d'Agadez, 14 points, suivi de Dangourmou de Tawa, 11 points, et Entente FC de Dosso qui occupe la troisième place avec 11 points. En bas du tableau, Wambe AC de Tawa, 4 points, Abzine FC de Tawa à 3 points. Poule B. Le Zumunta AC de Niamey occupe la première place avec 16 euh, points devant Tagour de Dosso 10 points, Bourgia FC 10 euh, points en bas de tableau, Étoile Rouge de Niamey 7 euh, points, Avenir FC 0 points. Gourouza, parlons maintenant de la prochaine Coupe du Monde. Ah oui, Myriam, c'est trois pays qui vont conjointement accueillir ce grand rassemblement footballistique mondial. Le Canada, le Mexique, les États-Unis d'Amérique. Il y aura 48 pays qui seront repartis en 12 groupes de 4 et non de 3. Avec le nouveau format, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont au 16e de finale. Au total, il y aura 104 matchs qui seront disputés au terme de cette compétition en lieu et place de 104 matchs habituellement joués dans le format à 32 équipes. Notons euh, que c'est en 1998, lors du mondial organisé en France, euh, que la FIFA a décidé d'un élargissement à 32 équipes. Ce format à 32 équipes a tenu pendant euh, cette édition de 1998 à 2022. Merci, Gourouza. Fallait annoncer aussi la confiscation des télécommandes dans les familles. Ah, oh mon Dieu. Pas de problème. <laughs> Merci, à bientôt. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur cette émission. Rabidi, qui est la star du jour. Mariam, dans notre rubrique portrait, nous allons parler de Hawa Moussa, une veuve mère de six enfants. Après le décès de son mari, elle a eu des difficultés pour gérer sa famille. Eh oui, Bibi, c'est les épreuves qu'elle a traversées qui l'ont poussée à créer une association pour les femmes veuves afin de les aider. Hawa Maman est interrogée par Oumu Umaru. Hajiya hawa kune shigaban shugaban kungiyan uwayen marayu a Bukkoci. Tun yaushe kun ka fara rikon gida. Wani irin sana'o'i kun kai kahin ku tada yaran gana ku? Rikon gida daga kannai na nawa gashi. Har ka kawo ga nawa. Tun ina da kurciyata kannai na da ubana ya mutu ya bari. da uwata ina tallace-tallace cikin garin ga na bukoki ke gani nan torodi kwalo undunga lela sokoto duka na yi ɗauko kaya in ɗauka in ta in saida cikin bukokin ga ni a mace ta hwarin da ta hwari ta hiya tana tallace-tallacen bisashi yara ka ɗauka 'yan maza cikin turaku masu kora min bisashi in ai saida da ma'aikata da maza gidaje gidaje haka ni saida ko harawa ma na yi saidawa in sai harawa in saida kaji ga sanda nika dar masu in rataya in yi talla cikin gari har su ɓosho babu abinda ban yi saida ba har da su kwalojin ga duka ina saida su tontanin ga lokacin ko saida shi ba a yi amma ya kai yanzu ana sai da shi sana'a in ni wagga gobe wagga zani shi bi wagga zani dun da in tsaye mutunci na da na ɗiyana da wainiya dai kan yara na dai su tsaya su yi karatu cikin maraici ina kanin tausan uwayen marayu dun na san wahalar da akwai tallar kan ga na wasu da ya yi kura ina tallace tallace ke duk abinda da zai zan tsira da mutunci na da ɗiyana babu wanda ban gwada me ya baku kuzari kun ka kafa kungiyar ganaku na uwayen marayu saboda tsananin rikon gida da nisan abin da yake ciki muka zaka muka aza kungiyar gado annashuwa na uwayen marayu uwayen marayu ni a president cikin uwayen marayu a garamakin mu tana da takarda ina tahiyya wuri wuri wuri wuri ina bida taimakawa ina cikin haka shekara da shekaru Allah ya daidaita da ya ramatu. ita fara zauwa ni tara uwayen marayu na ta ɗauka wata uku zuwa wata uku ana ba su taimako a yanzu wallahi ba ni ba ma uwayen marayu ma suna godiya ko ba a yi ba ana samun yaro saba'in. wane kira za ku yi ma mata da kuma masu hannu da shuni. Wallahi kai ka aminki kai ga maraici ma ki tashi ki tsaye ki iya sana'a. In dai ke iya sana'a babu ruwan asirin da ya kai sana'a. Haka kuma uwan marai ne duk da za na haɗuwa da sai na ce mata eh, matsa ga sana'a. Wallahi ina son uwan magai duk kukan da za ta yi ta tsare mutunci ta tsare mutuncin ɗiyanta. Dun da yau in kana sana'a in baka samu yau ba gobe kana samu. muna roƙo ga masu hannu da shuni dan Allah da ma'aikin Allah duk inda marayi suke su taimaka mishi su taimaka ma marayu dun da wallahi maraicin nan wani marayu ki gane shi wallahi ke da kanki ke san ke yana baki tausayi kuma in suna so sun binciki uwayen marayu su jiya akwai mai diya bakwai akwai mai biyar ka taimaka mutum da abinci ka bashi jalli yana yin kwana biyu yana jin daɗi kuma hankalin yaro yana kwanta kin gani amma ba uba uwa ba ƙarfi sannan ga talauci ga tsadar rayuwa muna bara ma ga gwamnatin rikon gida yau cikin garin gadai akwai matsala ko kana aiki balle ba ko magana da bata da aiki in ba ta yi sana'a mi za ta yi idi bi ki gani ma ko kana da mai gida ka kwashi balle babu mai gida mace in babu mai gida cikin gida ga diya akwai matsala wa akwai uwan magana da daki ma wallahi yau inda suka inda suka azubuka ma ba su duk suna nan diya lakwal babu muwayan kuma ga kari ya kare shekara 60 ina ne ga kari dole sai lakwalkin ta tsaya ta yara sannan kuma uwan magana ya wallahi akwai wadda kwana da kwanaki wallahi abin da ta ma wallahi sai an taimaka mata shi gidan rediyon ga kaf da a cikin garin ga babu wanda ya saka nan ya tambaye mu halin da muke ciki sai dai wanga studio kin ga na kalangu muna fata Allah ya ƙara ƙarfafa ɗaukaka shi Bonne chance et bon courage à cette association. Belle initiative inspirante, Maria. Eh oui, merci beaucoup, Umurabi Place à présent la réplique Loti de CGD et nous parlons hygiène et assainissement. Eh oui, l'insalubrité dans certains quartiers de Niamey et d'autres grandes villes nigériennes sont une situation qui persiste, malgré les actions et dispositions prises par la mairie. Pourtant, un cadre de vie amélioré peut contribuer significativement à la santé des habitants. Rukaye Abdurrahman et Zenob Abdou nous en disent plus dans la rubrique Loti. Loti, Loti, Loti. ko hauno woni kun hamni bobayo e na nafi aran kurano woni hmm hamsun di wala wone wora na go giri iduna ya kan go ne kure wane wora hey irkoy beri amma ni bai gisalan gork sine se abon nim dugi bon ay feri nan sartara ga in bon sinima muska fitin dai gane hey way boro hey way bora bani goni ga niga bani mirzi bandino ore fonda no wonno gunanda hey way bora alhanan nima fonda wo irkul wonno ya dinga burakulu wannu aran mono go yega fonda sar koyni aran gbe wadinga hmm. una una wane hukulu nimmo gorgsin no kansu kan man tiyam sai dana ra izai wat kuli sin bani gun har bayo sobor yam ni sobe ke kendaran sai ga palu da ngaranga wat kula go laptani fondara aha wa sai no zan kai go gentu wat kulu o homme gorgsin wat kunno ay bay ma kin se mai gu humburu ay musko gi gida inda ninga mara ya dinga wugi su bar mai mi koy nu hankan ni gorg sin bai nafi san ka gon kanya mai kwara gin funai sambu an sari yir zambar hinkadi wacin di iya september handora san kadin ganji im har zibu munu fondai bon dana ngai kan yan gitar morgura bor kulu kan san sankadin tamumu doko gona kai ga jukkanda koyin mo man todin hinnanu kulu kan dinin boragi hinga ci. kwaragin funaise se. Ceyan follo no boragati lamba ta kya ihin za ihin za dita cabo ya dinga ma hagwai koy mu kan kanga hagwai da kwara sakoni igihinga kagindi oh o oh, mai ti borai dimu ngai no gati borai kanga hagoida iga hatta ga windi kurera gidi borai winde meye da fondai mu he voisin yar ngai irko dai gai kara gorga sina isabu kan ne to na siri hun kun banda kira banda ai sai ga har zibu mun fondo bo niga bai kan mu irno himgi ke singi gir wani kure hananan di wodin mu aga sintino zair windi maye yadin dai no walla ni kan ganin yago ni bora ni su bugu borfo wani yaku Merci à l'équipe femme du studio Kalango. Elle est vraiment spéciale, euh, cette équipe. L'émission du Niger sur Kalango, c'est aussi de la culture linguistique qui nous permet de découvrir des mots et expressions. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Soumana. Avec lui, on va découvrir l'expression période de soudure. Bonjour Soumana. Bonjour. Bonjour à toutes et merci aussi. Euh, effectivement, aujourd'hui, on va parler de la période de soudure. C'est la soudure alimentaire. Nous sommes dans la période de, soudure euh, lorsque les récoltes de l'année passée sont épuisées et juste avant les premières récoltes de l'année en cours. il y a alors euh, souvent pénurie et une flambée de prix, parfois et dans le, bon, disons dans nombreux endroits du pays, la période de soudure est un phénomène associé à l'insécurité alimentaire. Au Niger, la période de, soudure alimentaire est constatée en juin, juillet, août et septembre. À cette période, les agriculteurs doivent travailler leurs champs pour une meilleure récolte, souvent avec la faim au ventre. Okay. eyi an fulfulde ndi parfois setto setto ni woni wakkati mo yimɓe ñamduji ko heɓano rawane hanti ko hikka waray nden eɗum woodi torro sanne saabu kulle no tawe e luumo no tiiɗi wakkati gonndu tawtaake e luumo feyi nden ɗum ɗon waɗi ko yimɓe no wiya setto setto oɗo du ko ƴeewta ñaamdu ɓiɓɓe adamaɓe ganduɗen kaala haala muɗum ɗo leydi niger wakkati ndungu heewoyi lewru juin juillet août e septembre nden ɗum yaawi waɗde e ɗum waɗa du ko ɗon torro saabu yimɓe tila e mumen ndema gese muɗum hen merci Soumana on fait comme si on a compris tout ce que tu as dit ben Mariam. À très bientôt, Soumana. C'est toujours un réel plaisir d'avoir un retour sur nos productions. Nos fidèles auditeurs ont réagi, on les écoute. sunana Muhammad Sabiu sosai hakika yana daga cikin masu sauraron Radio Kalangu hakika shirye shiryen ta yana kayatar da mu matuka sosai kwai labarun kanun labaran duniya kuma da sauran shirye-shirye na kiwon lafiya da na al'amuran mata da yara da sauransu dai to ina gaida babban amini na Muhammadu Mai Shago da Inusa Bulama da Malam Usaini Security da sauran dai abokan arziki Eh, min abdou altine bala gujjojo nder commune tanda département mo gaya miɗo hettino eh, studio kalangu miɗo hettino surtout acti de jeune eh, miɗo hettino kaden journal maɓɓe togon do woyanim hettinto ɗum sanne do airtel lamba o mi yawi hettinade ɗum kalangu no hokka labareji ɓorey yawti fuu duroɓe ɓe fuu dow majjum no ɓe kettinto labareji donc dow numéro euh, koni ɗo waɗata composé dow airtel ɗum 325 on ni duroɓe woni no kettino studio kala kalangu sanne ah, ɗum ɗum firta ko e duroɓe sanne sanne allah walluɓe e golle maɓɓe awa miɗo sanna dago ah, fadel alu gida to miɗo sanna kerol pulako gongo nder komin tande fuu e himɓe amin bala gujjo e miɗo sanna yimɓe ɓunjaari amin aps wonɓe niyamey président docteur seyni amadou e hemma responsable amin souleymane kodo non wonɓe ballamin miɗen gaɗa golle do in a fes der komin tanda sunana lauli mati ina wani kauye ana mace mashi garin mai cibi lalle studio kalangu mu ma abatan sauraron ku ne musamman ma a cikin shiri wanda ake wayar da kan mata bisa kan mahimmancin zuwa awo wannan abu da studio kalangu ke wayar da kan mata bisa kan mahimmancin awo saboda akwai wasu mazaje wanda ba su ba matansu karhin zuwa wurin awo to wannan wayar da kan da suke yi wa mata bisa kan muhimmancin zuwa awo gaskiya yana matukar bani sha'awa kuma ina matukar kira ga studio kalangu da suka kara karfafa wannan ja hankali da wayar da kan mazaje da mata bisa kan zuwa muhimmancin awo shi aka ce kula da kai lahiyar iyali wanda ita ce ingantatta Ici prend fin notre émission de ce jeudi 16 mars 2023. Vous étiez en compagnie de Rabia Meikano et Maria Madé. Ce fut un plaisir de partager cet instant avec vous, chers auditeurs. Comme d'habitude, on ne se quitte pas sans connaître les couleurs de la grande édition du soir et c'est Rafika Tahel qui s'en occupe. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi. Alors, euh, pour l'édition de ce soir, euh, le collectif des syndicats des commerçants et transitaires nigériens a entamé une grève de 48 heures ce matin. Entre autres raisons de cette suspension de leur activité, la facture certifiée et l'incivisme fiscal au cordon douanier. Vous aurez plus de, précision dans l'édition de 17h. Le Niger accueille la 12e édition du tournoi de lutte africaine de la Auto Lac du 17 au 19 mars 2023 à Niamey. 70 lutteurs sont attendus pour prendre part aux compétitions. Enfin, dans la partie magazine de ce soir, on parlera de l'assèchement de la mare de Tabalak dans la région d'Ottawa. Ici, professeur cette émission c'est capte 17h. Bye bye. Bye bye.